match bi euh, euh, euh, joué nañ ko si anam yu ñu bëggé won parce que adversaire bi eh, xam nañ ko bu baax baax xam nañ ni adversaire la bo xamanteni da fay bàyyi espace yu bari surtout à domicile parce que dañuy top public bi c'est normal parce que bon il y a cette euphorie bi nga xamante ni fi nek début de saison et il fallait surtout exploiter ces espaces yi nga xamanteni mom lañuy la et notamment entre le latéral droit et l'axe droit, on savait que c'est euh, parfois un boulevard bourré. Donc, euh, comme j'ai dit aux joueurs, dans les transitions, pour récupérer le ballon il faut que tout de suite nous essayions d'attaquer l'espace Et sur le deuxième but, non l'avons pas Et voilà, Alhamdulillah. Après match le Bohamanteni, euh, Dougal nous but et concédé une occasion. Donc, ça, c'est une bonne chose.